Waypoint, votre nouvel espace de coworking et de détente à carte. Oh Royal, C'est ça ta peinture professionnelle Retrouvez votre nouvelle série Laurent Toy bientôt sur la TFM et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Optez pour les tenues et accessoires modernes africains disponibles sur le site awalibis.com pour une livraison partout dans le monde et dans les plus brefs délais. Au nom Dakar, le chic en toute simplicité. Global Textile Asenfal, Fall, Parcel Unité 12, tu es tout gros demi gros. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Mouriba Habillez-vous comme vous le rêvez. Wuriba.com. Bolendo Water 77 197 20 20. Marodi remercie toute sa communauté pour sa fidélité. Et oui, Marodi, c'est aujourd'hui 5 420 000 abonnés. Djadjif Création, Madomark, Tolina, Lady Mona, L'Art de la Finesse, Neneyaya, Marquita Shop, M60, Madeleine Darabi Jolix Star, Loupop Shop, Christy Beauty, by HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11 direction. I see what you do. You put your body to Matidi.com Protam Diamond Shoes Darumurti Business asamaan fee yor wu in ndigil lankeeroo goy yàlla

ko li ngeen wax rek lay def waaye dama jum te bal leen ma sa bis xamoon naa ne dina ñëw day yàgg rek mareetu boobu ba tay sa xel mi ngi doog a dem ci ne bàyyi nga fi ay waajur boobu ba tey yaa ngi doog a xalaat ne da nga def erreur amareetu. bal leen ma bopp ngir yàlla da nga wone léegi da nga mënal sa bop da nga fàtte bi man ak sa yaay dama juum léegi da nga jël sa yoro bopp ba tax na ciofet ma amoon ci yow lepp dem na papa wax ndokk bi nga dellu ñu sang Tamajasu via kamu sampai ini. gis nga lii soo gisee ñu def sa jàmm rek lañu bëgg maritu ñun say waajur lañ ñun amuñ kenn ku dul yow ñun dañ bëgg ha Ba baal nañ la dégg waaw léegi nag ay joy day jeex baal nañ la waaye leen de dinaa la ko xamal gis nga bis ni ki tey ci suñuy waaw ngay wëy di bayyi suñuy téré. bëgg rek lay def Té pour commencer damay dem Dakar and ak yow Nek sa kër ay fan mun naa toog passé fii weekend bi su dem Dakar ñu ànd. dara newu ci mën naa ne. bon les gars s'il vous plaît arrêtez d'insister bu leen forcer nee naa je vais vous expliquer mais pas aujourd'hui que dañ ñu koy expliquer mais loolu dafa leer kañ kay mooy wax mais bon comme loolu nga wax on attend. vous deux par contre je sais que vous avez quelque chose à m'annoncer. <laughs> Tonton Gaïki, Tada Aïcha, annoncer une nouvelle. On a eu un coup de cœur incroyable. Honnêtement, condamné. Enfin, on a trouvé notre enfant. Ah oui, mon frère. mais c'est grâce à vous. C'est la famille. Aïcha, nous On n'a fait que vous orienter. Cette orientation, ça compte énormément pour nous. C'est duñu ko suñu c'est sûr Je nga man nag lu may ñaan rek procédure yu bon yéen ku ne xam ngeen ni nous loi bi dafa xaw strict quand il s'agit d'adopter un enfant. je pense que l'enfant peut être sous votre tutelle pendant que procédure est di mat à 100 mais ça veut dire que j'ai du boulot là. il faudra préparer la chambre acheter les vêtements les jouets. Vous nga liggéey je travaille. <laughs> Oh, chérou, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton implication. Écoute. Merci, vraiment. <laughs> Euh, vraiment, Djeridjef, je suis trop contente. Chérou, nous t'en serons éternellement reconnaissants. la yalla Vraiment encore une fois merci beaucoup. C'est la famille.

moo moo sama doom ba kii yow la man la doom daa am lu ma la bëgg a sos lépp loo xam ne ci jaboot bi la nekkoon te mbëgg nga doon ko lan moo sa xol moo sell dama bëgg rek loolu lay def maam ko bëgg naa lépp si suñu maam yi bayoon si ginnaaw muy ci tool muy ci jaboot nga uf Bab li ngay wax ni yëpp ci dara et loolu nan laa koy defee ah loolu dina di si man mën nga ko def mën nga ko def te kat dama bëgg yow tey léegi nga ñaanal ma kii di kay ak Mariétu. Mariétu man Mariétu moom bon mi. léegi bon bi dégg xale la daa réer jógal dem ci tool yi di nga am loo ci jàngat. dégg nga. waaw Bab maam Bukar ndax mun naa la laaj. yaay tey dama kontaan. yaay xoolal tool yi. mama xoolal verdure bi. air pur bu ñu nooy. fii dama na moom sama dëkk. waaye loolu nag c'est normal maar je fii nga juddoo fi nga màggee. kon kay dan da nga koy ndam te comme bi nga demee Dakar ak léegi yàggul te fan yëpp Dakar nga toog ah mais c'est normal. yee moto instant bi damaa ma yëg sama yaram ma ko xam. ma stress bu nekkoon sam bopp Dakar nga xam ne dëkku tës tës da ngay daw a daw a daw ba sonn waxuma la dara nag waaye ma soor yenn nit yi. Hmm. Mariette gis nga àddina bi bu la ci kenn nax tey day neex soo waaye yow fexeel ba heure bu naqaree jëlal la neexoon démb teg ci li naqari loolu kese moo la ciy génnee. moo tax yaay situation yu may dund actuellement yak sama papa rek la mën a compté bu ngeen dimbali ma sé te man yeen la am te yeen rek la bëgg. marit gis nga bët bi wéy di doom kenen du ko xol ndax bis bu nakar amé wala metti rek ñom kase ngay gis do gis kenen bëgg goo ñu bëgg rek fekk nañu ñu bëgg la ko raw ndax ñun yow kase lañu am amuñu lenen ya lolu jaru nga ma kay wax ko na so may xol ci kaw nga may ya? xolé xamna bëtu amour bëtu mbëggeel nga may xolé waaye en parlant de mbëggeel mëna la poser ben question. man xamna la doo laaj lu yam waaye du téma déglu la rek. ya yak sama papa no leen def ba xamante yow ya ko choisir wala mom mo la choisir. dégg nga sa papa. mag mom histoire bu riche la. parce que nak dañu xex suñu mbeugël xex suñu digënté tay ba ma dégg yaay momu dégg papa waye xam nga loolu yépp lan mo ci am solo moy nga dem ak sa xel lima bëgg moy nga fonk sa bop nga bëgg sa bop bala kenn di la bëgg nak gis nga bo xébé sa bop ba gis nit tax ngay sol yéré wala ngay lekk lu baax bis boko gisatul sanku gor góorgóorlu ci sa bop te bul mës a fàtte fi nga joge lool mo ëpp solo ci adina man ak sa papa ñoo ci sa ginnaw hmm. ñun yow kessé lañu am amuñu keneen eh, man tamit yeen rek la am waaw dégg nga <laughs>

Bonjour. Ah, oui, bonjour. Vous allez bien Oui, bien et vous Ça va encore comment? <laughs> comédien direct? nit ah, ah d'accord. ah d'accord. Amélie Lilia bonne journée alors. Oncle Mo, c'est Amélia, pas Amélilia. <laughs> non, répète-le. ah. ah mais. mais Lilia. déet. yow nag da nga da ngaa waroon yem ci ami bi ah, ah, ah, Salut toi. ah yegg si ngeen. leer na ma ne yaa tax taatoo mais xam nga jikko kii. loolu ko gis dara yegg si nga ñëw nuyoo sax. mooy jaaxal nga ma waa yow. lan moo tax nga rek di leen chuchoter di def boy bi Eva la xaw ma à chaque fois turam yow yaa turam Elle a vraiment l'air d'être une personne spéciale pour toi. bàyyil Eva yow yëgoo ne Eva moy suñu princesse fini. nii teg ci je suis gën sama xarit Et comme tu l'as dit elle est spéciale. Mais c'est adorable le kontaanu ma mais yo mom, je t'imagine déjà être père Cheikhou un papa. certainement un papa proche de son enfant. yéen ñaan nekk leen ay nit ngeen bàyyi seen affaire yi coxalaan yi ngeen def ngeen fond rek. yow lañu war a waxal li nga tardewul tey leer na ma li nga ànd ak kii moo tax. si la noo bàyyi waxu tardé ngir yàlla. baax na xam nga kii kan kii mooy Tata Marie Louise kii mooy tonton Alfaro xonk. daa mel ni nag Alfaro neexu ko. Votre série revient après la pub. C'est ça ta peinture professionnelle euh, hein, Retrouvez votre nouvelle série Laurent Toc bientôt sur la TFM et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Marodi propose Graines de pouvoir sur Sonouyev. 50 spots milieu achetés, 200 spots début offerts en rediffusion. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.heritagecouture.net. Profitez d'une remise de 10% stock limité. Bienvenue chez Bamba Partenaire. et Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Tano, ça va Ça va. Ben, on dirait pas, hein, parce que ça quand même que moi alors. Depuis quand tu préfères rester à la maison plutôt que d'aller travailler C'est vrai, tu as raison. Mais Fanny, je suis un peu acculé avec les problèmes. Mais t'inquiète, je gère. Bon, si tu le dis. Mais dis-moi. Oui. Si nous j'espère que Fatéo. Non, Fatéo, tu en es sûr parce que j'étais en train de me dire que vu que n'est que tout le monde. il est temps que ma jot samay partie entreprise Marco ce n'est ni le moment ni le lieu avec tous les problèmes que may qu'il y il y souci un souci. ko Tanor Tanor. oui. n'essaie surtout pas de me la faire à l'envers sinon. sinon lan Marco j'espère que li lié man ak yow serais-tu en train de me menacer Marco man Tanor Ka man ngay menacer li ngay jël fort na Marco bul ñaan mukk m'avoir à travers ton chemin comme ennemi xam nga ce que mën ak lu mënul donc fais très attention à toi. eh yow xam nga ne bu ñu li lii tooy ci yow lay jóge ah ouais. c'est secret puis c'est très bien que si jamais je mets ça sur la place publique yow douleur et puis boum, yo. hey secret Bobo, yàgg mom, ba si c'est bien tombe est-ce que là ngi may dégg. man secret la déjà. Marco. là quoi, ça pape? c'est juste un malentendu. mais je vais gérer. qu'est-ce que tu me caches papa. mais dara. mon cœur tu tax ngay xalaat mel nom. Toi aussi. Euh, nous sommes vraiment ravis de collaborer avec toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de rejoindre cette belle famille qui est Kewala Industries. Je la Defnac, euh, employé et actionnaire en même temps. C'est un honneur. En tout cas, le plaisir est partagé. Et Jotna aussi des messages qu'il m'a Mais vraiment, j'ai été vraiment impressionné. Et ce que j'ai pertinence. Surtout du côté volet marketing donc te y a ni idée que mettre en valeur te bu exécuter je pense que nous permettre ñu améliorer bu améliorer. merci à toi. D'ailleurs.. Je euh, dama bëgg intégrer l'équipe commerciale dirigée par Tella donne-moi juste 30 secondes pour me comme ça me présenter bien sûr. oui à Tella est-ce que mën nga me rejoindre directement la euh, salle de réunion bi nekk au premier d'accord en tout cas c'était vraiment un plaisir. plaisir est partage. ah. salut boss. yow wax naa la de euh, ma woowee monsieur boss. Euh, je vous présente Tella Tella qui est une nouvelle collaboratrice donc je vous remercie pour faire visite ci locaux enchanté. Euh... Amélia, bienvenue dans nos locaux. Merci. Je vais vous faire euh, visiter nos locaux, s'il vous plaît. Bien sûr. Encore une fois, papa, qu'est-ce que tu me caches Mais Tara, Kedelam, n'oublie la Tara. Hey, hey, Khadija, toi aussi, bye, Joy. Hein tu ne me dis jamais rien papa pas je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. mais toi aussi. papa je te jure je suis de ton côté mais tu ne m'aides pas du tout. écoute je. depuis ba mal de ba déception sur déception là accumulé. pas ça ba ne là je veux pas te voir ainsi. tu sais que. non écoute toi écoute j'en ai marre de tout j'en ai marre de tes mensonges je n'en peux plus quest ce li dit la waxal la tu penses que je savais pas que tu trompais maman avec Amélia bien avant lui? Faut li di la te man papa Tu égoïste tu ne penses qu'à toi sa pour rek j'aurais dû me douter que ça ma xëccee si sa bop pour un affaire u kewel man ma bête gëm la yakani, que tu veux juste retrouver ta fille alors que du coup, zéro vérité papa j'en ai marre je mon tellement bête tu sais pertinemment que c'est réussite mon mon moo ce n'est ni la gloire ni alal tu es ma guidée de l'âme tu es la prunelle de mes yeux vous avez le problème, moi. mais wax ma naka. Je bi nga def qu'on soit une vraie famille. mais ne ko wax léegi yow. s'il te plaît s'il te plaît guide d'accord très bien. papa je suis une famille la es. nga wóoluwante moo ko lal tu dois me faire confiance man yow équipe la du à part te pour loolu il faut nga au gis ma wax ma dëgg bañ ma tara. pas de cachotterie pas de mensonge man yow ak yàlla gis nga fi ma la mën taxaw la fa taxaw la ko gentle. jàmbur dilo ko defal Yo, man nga am est-ce que tu me comprends. d'accord di nga ñëw. mooy bàyyi ma ngi ne Mariama fort personne ne me connaît sous ce nom ici. man kay ma je t'expliquerai tout dans les moindres détails. s'il te plaît ne dis rien à qui que ce soit. va partir prendre un verre. je vais tout te dire promis. est-ce que vous? Je suis là et c'est uniquement pour une une nouvelle. Ça va Aïcha, je vais super bien. Et vraiment, merci beaucoup de t'inquiéter. Super bien. Tu nga wax En fait, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. C'est ce que tu am Aïcha tu sais très bien que musuma la nëbb dara ci sama dundu. te fas yéene wu ma la nëbb dara aussi ci sama Le fait que juste ne mënaguma pas ko wax quoi mais le moment venu dinaa la ko wax. c'est quelque chose de grave hein? non rien de grave rien de grave. ok d'accord bon je suis venue parce que demain, mon a dem déjà Khadija au bébé Eva et je ma sañoon nag nga parce que au moins elle t'aime bien te dina la Là aussi je dois comprendre que tu n'as pas envie. je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas su être le papa que tu as tant voulu avoir, ni aussi le mari modèle de ta mère. Mais tout ceci, c'est à cause des aléas de la vie. Ça, c'est clair. Pourtant, maman, avant, tu n'étais pas comme ça que tu as été un homme doux, calme et très attentionné. Oui, que mais avec les aléas de la vie ça m'a changé et je suis devenu l'homme que tu as devant toi. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Tu sais, Khadija, j'ai perdu ma mère très tôt et je n'avais que son pape comme support, comme mentor. Il m'a tout appris. Il m'a façonné à son image. Liguer, Faire grandir l'entreprise. C'est le plus grand quitte à écraser des personnes je faisais tout rien que pour satisfaire ses besoins. Pourquoi tu n'as pas résisté pourquoi tu as fini par tomber dans son jeu Je devais tout faire pour lui montrer que j'étais son digne fils, le seul héritier. Que j'étais à la hauteur de Naisalika. Ma tante. Oui. Elle était le génie de la famille. Tout lui réussissait. le poste de PDG allait lui revenir. Ah bon J'ai été dévasté. Parce que j'étais au four au moulin. Pardon de flip. Mais voilà. Ça crée en moi cette... La haine. Je ne pouvais pas accepter cela. Alors, je suis même arrivé à penser le pire pour elle. l'homme est vouloir le pire. Je préfère qu'on en arrête là, c'est mieux. Lui, Lolo Déjà, c'est un secret lourd secret. Et je voudrais pas partager ça avec toi. Ok. Et on gagne. Oh? de ce déplacement, nous, au finalement c'est un lourd secret ba nga xamee pas sa toute façon man tenir sa parole. guidez dis pas ça toi aussi. mais c'est nga que tu def ah d'accord je vais te raconter mais s'il te plaît ne me considère pas comme étant un monstre je suis loin de ça. ne t'inquiète pas dis-moi. J'ai tué Ndaï Sali. Comment ça Je m'en vais toujours. Oui. Un jour, vu qu'elle était asthmatique, et un jour, ma maman, on a eu un problème. Nous roulons, vous mettez. Et là, elle pique une crise. Elle voulait récupérer sa pompe, mais malheureusement, mon dame, à mes pieds. Je pouvais bel et bien l'aider. Je la regardais. Elle était là. Mais je pensais, j'imaginais que c'était une occasion unique pour moi de prendre les rênes d'Agodrim. Je me suis retourné et je l'ai laissé agoniser. Mais tu es un monstre, leur cas...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 asamaan fee yor wu indi lankeer